Aujourd'hui, sur surtout Fada, nous allons encore recevoir le concepteur de l'application Karatou Postback. Idriss Abdullawali, Dondi, la machine, te souhaite la bienvenue sur l'émission Tous à Fada. Mon frère, comment tu vas Je vais très très bien, Dondi, et toi c'est pas toi qui cuisines aujourd'hui, c'est moi qui te cuisine. <laughs> Je vois ça. <laughs> tu es un jeune Nigérien. Pour rappel, on t'appelle Idrissa Abdullawali. Tu es concepteur de l'application KPB. Tu es ingénieur logiciel. Moi, j'ai tout en tête hein, parce qu'on t'a une fois reçu sur une de nos émissions. Tu as travaillé dans les grosses compagnies ou euh, les grosses industries industrielles de la France. Entre autres, Airbus, tu as concevoir des avions. Parce que Airbus, c'est des avions que vous euh, fabriquez de l'autre côté. Alors Idriss Abdelawali, quelle que soit ta contribution, même s'il faut, euh, je ne sais pas, mais je suis sûr et certain que tu as contribué. Idrissa, je te souhaite sur cette émission pour qu'on puisse parler de l'animateur, pour qu'on puisse parler du présentateur. Parce qu'on reçoit des artistes. Et tu es un artiste présentateur. Tu présentes, n'est-ce pas, de rubriques sur euh, les réseaux sociaux. Et tu as beaucoup aidé aussi nos amis scolaires à travers la rubrique académique que nous avons tout ce qui fait ce Télématin, sur Dunia TV. Alors aujourd'hui, Idrissa, parlons de toi, parlons de ton compte, parlons de l'animation, parlons de tout ce qui t'a motivé, euh, n'est-ce pas, à créer cette application, à aider les étudiants, et parlons de tout ça, Idriss. D'accord, d'accord. En tout cas, merci à euh, toi de me recevoir ici. Je suis très heureux de pouvoir parler à ceux qui nous regardent. Mais... Donc, euh, parler de Karatu Postba comme tu l'as dit, Karatu qui c'est le moment en ce moment, on va dire, ouais, l'orientation, les gens se cherchent. C'est très important. Et euh, comme tu l'as dit, t'orienter dans le monde académique, c'est connaître Karatu Postbac. Tout à fait. Donc, euh, donc comme tu l'as dit, moi, à part Karatu Postbac, qui est un gros projet finalement euh, et euh, source d'inspiration de beaucoup de choses de mon parcours à moi, parce que mhm. du coup, moi, j'ai eu le bac au Niger et ensuite j'ai dû partir au Maroc d'abord pour étudier, sans rien connaître de ce pays. Il a fallu se débrouiller. Et ensuite, j'ai compris que je pouvais aller loin dans des meilleures écoles. Je suis allé en France, donc dans une école d'ingénieur où je suis justement devenu ingénieur. Et où, du coup, euh, entre toute autre difficulté, on a compris qu'il fallait s'entraider. On a créé des associations pour faire vivre la culture, mais aussi pour aider nos frères et sœurs en fait qui arrivent étudier euh, en France ou dans d'autres pays. Mhm. et, euh, et, sur ce parcours-là, j'ai vu que tout ce que j'avais fait, en fait, je pouvais l'apporter différemment à ces jeunes qui sont restés au pays, mais qui sont aussi dans beaucoup d'autres pays africains. Donc c'est pour ça que j'ai combiné les deux passions qui étaient l'éducation euh, que j'avais développée à travers l'associatif et aussi de l'informatique du coup euh, pour créer l'application mobile d'orientation Karatu Postback. Tout simplement, KPM, mesdames et messieurs, déjà disponible euh, sur Play Store et aussi Apple Store pour nos amis hein, parce que nous on aide, hein, on, essaie d'aider euh, les, étudiants pour qu'ils puissent se retrouver. Et le téléchargement d'une manière ou d'autre est gratuit. Alors surtout ça la Faraille, Nous avons 47 radio partenaires et les jeunes parce que réussir aussi, c'est savoir s'orienter, c'est important. En On peut être brillant et aussi euh, tout perdre. Hein, Exactement. Quand c'est pas toi qui Bien sûr. C'est très mauvais parce que euh, je ne vais pas donner de nom, mais récemment on a reçu quelqu'un qui a, qui a la mention très bien ou qui a en tout cas euh, qui est, et beaucoup d'autres qui ont les mentions bien, mais finalement c'est un moment décisif parce que ces gens-là qui sont talentueux, qui ont un peu, ou beaucoup en tout cas dans le cerveau, c'est le moment qu'on puisse les accompagner pour qu'ils réussissent des grandes études et qu'ils viennent contribuer au développement de notre pays. et c'est notre devoir en fait en tant que citoyen, c'est notre devoir en tant qu'être humain aussi de, hein. pouvoir euh, faire cela. Je suis d'accord avec toi. On a aussi l'habitude de recevoir sur l'émission euh, la rubrique que tu présentes aussi des gens qui ont su s'orienter, qui se sont retrouvés à travers déjà des, exemples types hein, de parcours ah ben évidemment. Hein. On a Faji, Fajimena qui est à la NASA aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une référence Faji qui est à la NASA. Exactement. Ah. On a aussi euh, Nabia, J'aime bien la cité qui est cancérologue aussi, euh, l'une des seules cancérologues, en tout cas euh, docteur en cancérologie plutôt. Qui... qui ont su s'orienter. Exactement. Parce que Et tu euh... tu rates l'orientation, <laughs> c'est compliqué. Non, il y a, y, tellement de y a. Exactement. Et nous, on propose des modèles justement de parcours ou des gens pour inspirer et surtout casser des barrières d'autocensure de jeunes. Parce que c'est des gens qui. J'ai par exemple, elle est née à Zender, elle a vécu les écoles publiques et aujourd'hui, quand même, elle est à la NASA. Bien sûr. Qui l'aurait cru Pas ah, elle. Bien sûr, pas elle. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Des gens qui sont euh, aussi inspiratoirement inspiratifs, entre griffes. C'est ça l'émission Tous à la Fada. Nous avons nos propres termes à nous. Idrissa, nous sommes donc à la fin. L'instant est solennel. Alors, mes conseils ouais. Orientez-vous déjà, mais comment s'orienter S'orienter, c'est surtout aller chercher l'information, être curieux de ce qui vous entoure, N'hésitez pas à poser des questions à vos aînés. N'hésitez pas à poser des questions à votre téléphone parce que je sais que vous y êtes tout le temps, mais pas sur WhatsApp, mais allez sur Google, cherchez les formations, cherchez aussi les vidéos, contenus qu'on vous développe en fait, pour vous aider. Et surtout, téléchargez Karatou Post Back. Et c'est là que vous allez trouver toutes les infos qu'il vous faut. Venez nous contacter. Nous, on est en tout cas heureux d'échanger avec vous on croit en vous. Vous êtes la pierre précieuse dans laquelle il faut investir. Et c'est vous la, première personne responsable de cet investissement-là. Ainsi parle l'ingénieur. Idriss c'est le concepteur de l'application. changer.